monsieur le représentant ministère de l'Intérieur. Sauf qui c'est préféré, préfet parce que nous sommes partenaires de très longue date avec Anasib. Nous sommes di liggéey de bu le gouvernement du Sénégal dafa ñëw ne la souveraineté alimentaire mënta dem jàngale ci changement climatique mooy waral ñu tax ba xam ñun baykat yi yan spécule lañu ñu war a jël yu xam ne dafay adapté ak li nga xam ne moom mooy euh, saison bi di ñëw pour que ñu mën koo teel a prévoir suñu soxlaa ci banque yi xam lan la ñu war a mën a jël ba nga xam ne bu fay jotee dinañ mën a fay te duñu ànd ak benn fitna damay faral di wax ne li nga xam ne moom mooy ANACIM ministère de la santé dafa war a coppati ci lim yor ministère pêche dindi ci lim ministère de l' agriculture dindi ci lim yor ministère de la santé dindi ci lim yor jox ko parce que ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu mën a jàppale ba ñu mën a rationaliser koppar yi nga xam ne moom la ñuy jël di ko def ci li nga xam ne moom moo di ministère yi pour ñu mën a doxal li nga xam ne moom la président de la république du Sénégal tënk pour que yoon wi mën a doxee noonu ba ñu mën a atteindre li nga xam ne moom la ñu soxla ci suñu ñoŋalu dund kon ANACIM ay partenaire lañu ak ñoom. du doy dañuy jël temps bi yëpp épuisé ko parce que am nañ ci xam-xam ak expérience bu bëree bëree bëree bëri boo xam ne tax na tey ñu mën a gëm suñ bopp mën a taxaw dëggal suñ bopp ci yoon ak njub parce que mu njëkk a def ci ñun mooy ñu gëm suñ bopp mën a liggéey liggéey boo xam ne dañ koy liggéey ci suñ tey ji bakkan du ñu sonn parce que am na ci benn exemple rek bu may joxee dañu daan ñëw di def ak ñun ay 100 nit ñi daawuñu woon gëm parce que li ñu daan wax mooy nawet yàlla moo ko yor te yàlla moomu moo ne sàkku xam jar na dem ba Chine kon comme que dañu waroon dem ba Chine di ko fa uti ji tey ñuy ñëw Amérique États-Unis di ñëw di ñu ko indil Nairobi di dikk di toog ak ñun ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di ñëw di toog borom xam-xam yëpp toog ay docteur fi nekk fii ñu ñi fi wax yëpp ay docteur lañu man du ma docteur par diplôme mais je suis docteur par expérience parce que ANACIM moo def loolu ci man monsieur maa lay sant la gërëm wa salaam jëf ñu xaw a yemandikum foofu ba ci kanam merci beaucoup d'accord Voilà, donc euh, je voudrais euh, m'adresser en cette occasion solennelle à cette assistance euh, composite où on note un préfet de département, celui de Fatigue, des médecins-chefs attitrés de région, des chercheurs et des chercheuses, des représentants de la Croix-Rouge, des représentants de la NASIM et diverses autres personnalités euh, scientifiques. À l'entente de mon propos, je voudrais avant tout rendre hommage à l'ambassadeur, au représentant de l'ambassadeur ici présent, partenaire du Sénégal, à travers donc euh, aussi la société, euh, l'océanique, je veux dire, c'est la nationale océanique and Atmospheric Administration, NOAA, qui accompagne la l'ANASIM et qui sont co-organisateurs de cette manifestation, bien sûr en partenariat avec le ministère de la Santé. Je voudrais également euh, saluer bien vivement le directeur de la protection civile, dont la présence ici est amplement justifiée, qui porte aujourd'hui la double casquette de directeur de la protection civile et en même temps représentant du ministre de l'Intérieur, représentant du ministère de l'Intérieur qui aurait pu assumer à côté de Michel le Préfet, qui aurait pu être également parmi nous ici au président. Je voudrais aussi euh, saluer la représentante du ministère de la Santé en vous demandant tous de, bien vouloir accorder une minute de silence au à la disparition du défunt mari de Madame la Donc, avec votre permission, je vous demanderai vraiment en guise d'hommage d'accorder une minute de silence aux défenses. Enfin, euh, je voudrais interpeller l'honorable député, docteur en, météorologie, euh, euh, docteur sans diplôme en météorologie. Voilà, donc c'est un des commandements de ce modeste que de pouvoir représenter le ministre des Transports aériens, M. Doudouka, ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, aujourd'hui absent de Dakar parce que appelé à participer aux côtés du président de la République à jours au Conseil des ministres décentralisés. Donc c'est une agréable, c'est une agréable mission pour moi aujourd'hui que de devoir le représenter à cet atelier international de lancement de la campagne 2023 de renforcement des capacités des professionnels de la santé sur les vagues de chaleur et leurs impacts sanitaires. Avant tout, euh, je voudrais transmettre les messages d'amitié et d'encouragement du ministre euh, qui m'a chargé de vous dire tout le regret qu'il éprouve de ne pas être là aujourd'hui, mais qui vous encourage vraiment à euh, persévérer dans le travail que vous avez ainsi vous allez démarrer aujourd'hui parce que c'est une activité essentielle euh, pour notre pays. Alors, donc je m'associe à vous pour constater que les vagues de chaleur enregistrées ça et là à travers le monde sont devenues aujourd'hui un phénomène climatique inquiétant, à la limite une urgence planétaire qui nous interpelle tous. En effet, depuis plusieurs décennies, les lanceurs d'alerte nous avertissent. Les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses, avec le lot de conséquences, notamment sur la santé. Elle vient de montrer d'ailleurs que ce n'est pas seulement sur la santé, mais c'est sur euh, un ensemble varié d'impacts hein, que, que, ça entraîne. Et la croissance démographique associée à une urbanisation de plus en plus soutenue dans nos pays sont autant de raisons qui nous invitent à une meilleure prise en compte des effets de ces vagues de chaleur sur la santé humaine et pourquoi pas animale. Et je me demandais pourquoi il n'y a pas les vétérinaires ici. Excusez-moi de faire cette remarque. Hein. Voilà. Euh, mais euh, je me suis intéressé, sans être un spécialiste, au concept de vague de chaleur. quelle définition peut-on donner à ce concept de vague de chaleur Alors, euh, a priori, on peut dire qu'il n'existe pas une définition universelle au concept de vague de chaleur. Mais on peut considérer qu'il s'agit d'un phénomène anormal c'est-à-dire donc euh, quand on est dans une situation de température euh, normale, la vague de chaleur est une situation anormale. C'est un écart par rapport à la normale, marqué par des épisodes de temps habituellement chauds et secs, ou alors chauds et humides, qui commencent et prennent fin de manière euh, graduée, presque imperceptible, qui durent deux à trois jours et qui produisent le plus souvent un impact sensible sur la santé humaine et les écosystèmes naturels. En l'absence de valeurs universelles absolues, telle qu'une température précise définissant la vague de chaleur, chaque pays, chaque lieu, chaque milieu, en fonction de son climat, définira sa propre conception de la vague de chaleur, tant il est vrai que les mêmes conditions météorologiques peuvent constituer une vague de chaleur à un endroit alors qu'ailleurs, ce degré de température ne sera pas considéré comme tel. Les phénomènes climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, sont devenus, comme on l'a dit, un enjeu de santé publique de premier ordre en Afrique, où l'entassement des populations dans les bidonvilles constitue une véritable problématique. D'ailleurs, selon le dernier rapport de l'Organisation euh, météorologique mondiale sur l'état du climat pour 2022, des vagues de chaleur extrêmes, des épisodes de sécheresse ont touché des millions de personnes. Euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, dont l'ANASIM est le point focal au Sénégal, souligne d'ailleurs que les vagues de chaleur seront probablement de plus en plus longues. C'est fort de ce constat que le Centre de prévision climatique de la NOAA, fournit des informations météorologiques et climatiques actualisées pour soutenir les missions humanitaires du gouvernement américain dans les pays en voie de développement. Il fournit également aux services météorologiques et hydrologiques nationaux africains un accès à l'information climatique en temps réel pour appuyer les opérations de prévision quotidiennes, y compris les prévisions et alertes de phénomènes météorologiques dangereux. Ainsi, depuis 2016, comme l'a rappelé la représentante du ministre de la Santé, la NOAA appuie l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANASIM, et la Direction générale de la Santé dans divers programmes de renforcement de capacité sur des outils permettant d'affiner les prévisions de phénomènes climatiques qui pourraient impacter euh, la santé humaine. Le dernier atelier en date, qui avait été organisé en septembre 2022, portait justement et précisément sur les prévisions de vagues de chaleur et leurs impacts sur la santé humaine les vagues de chaleur comptent parmi les aléas naturels les plus sournois et les plus dangereux. Mais elles sont insidieuses et ne présentent pas le caractère spectaculaire ni la, violence soudaine des autres catastrophes telles que les cyclones tropicaux, les tremblements de terre ou les glissements de terrain. C'est insidieux. C'est pourquoi euh, le nombre de décès qu'elles entraînent n'est pas toujours perceptible immédiatement. Les vagues de chaleur euh, qu'a subi par exemple l'Europe pendant l'été 2003 auraient coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes sans produire le même effet sur les consciences qu'un séisme dévastateur. C'est pourquoi je voudrais souligner avec force la pertinence de cet atelier international dédié au renforcement des capacités des personnels de santé, car c'est l'une des meilleures réponses que l'on pouvait apporter, au-delà des discours, face à la montée des périls climatiques dus aux vagues de chaleur. Il ne faut pas attendre que les catastrophes surviennent pour agir. Il faut au contraire, comme vous êtes en train de le faire, se préparer au pire scénario pour ne pas, défaut, pour ne pas être pris en défaut face aux situations d'urgence. Je voudrais à cet instant précis transmettre à nos partenaires de la NOAA les remerciements appuyés de M. le ministre Doudouka pour le soutien précieux qu'il ne cesse euh, d'apporter à la météorologie sénégalaise. La disponibilité de l'information météorologique est en effet un enjeu de premier plan. Et c'est sous ce rapport qu'il faut souligner à sa juste valeur le partenariat dynamique amorcé depuis 2020 entre la NACIM et la Direction générale de la santé publique pour mettre en place un système d'alerte précoce sur les prévisions de vagues de chaleur pendant la saison chaude de mars à juin afin de minimiser leurs impacts sur la santé. Il est à noter que ces activités ont permis aux météorologues de mieux comprendre les besoins en information météorologique des professionnels de la santé. Et cela a permis aussi de renforcer les capacités des services météorologiques et de les outiller à mieux répondre aux besoins des professionnels de la santé en fournissant les prévisions de vagues de chaleur adaptées pouvant aider à la réduction des risques de maladies liées à la chaleur extrême. Le principal objectif de cet atelier, euh, qui est de lancer la campagne Vague de chaleur 2023, euh, qui va débuter en mars 2000, est de faire le suivi du système expérimental d'alerte précoce sur les vagues de chaleur et leurs impacts sanitaires. Je ne pourrais terminer mes propos sans remercier euh, au nom de M. le Président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, le gouvernement des États-Unis, d'Amérique pour sa, généreuse contribution dans le cadre de la résilience des populations sénégalaises face à la variabilité et au changement climatique. Je note d'ailleurs avec satisfaction la mise en œuvre de plusieurs projets et initiatives qui vont permettre à l'ANASIM de faire des avancées notables dans la production et la fourniture de services climatiques. En vous souhaitant des échanges fructueux, euh, avec toute la vague de chaleur humaine que requiert la circonstance, je déclare ouvert cet atelier international de campagne vague de chaleur, mais cette fois-ci climatique 2023, et de suivi du système d'alerte précoce sur la santé humaine. Je vous remercie. Merci, Merci bien, euh, merci. Merci. beaucoup. Merci. merci. On avait oublié la représentation des personnes non moins importantes qui nous aident beaucoup. Euh, si vous êtes là, aujourd'hui, c'est grâce à l'organisatrice. Euh,